يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ۖ إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون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 août 2022 salf na n callen do laga sera n callen naga owa lo avre kagen nogonga lenki owa alla ñagana oga wi jomugi mogo keɓe allah gan do kirandi jomugi ken palle do couple nu filana gome couple nu ñani masha allah e française ago belegar yo gannam ko awa france re muga belegaganu yon do kuñena ngamu landina masala gome masha allah boni e france re mu po gabe gabe gabe gabe gabe inangalla kumelu ka sare afriki ko immensia ifo ga min ngalla ko to anofe ifo ga min ngalla na ko mi surofe ko ifo ga mena gu hasiniya ako usunu hagem remunye yo siren ka su siren malle be gana alla gana ibe wara kane ya kana ko kan nan dura posu sire ke kempe kan ke de zawi an ke kini ke fiki kan alla gana kinya hebe gani falillahi alhamdu ya kinya ko surofe le alla ki ga ku ya ya e masare mekamma kesare fransi kesare afrique ka alla ki ka iyari i habrene me kamallenki be suga ka ngan kapalle mo mulla ko manne ni mise ka yagunde khairin ga yagun no nga yona mulla ona maslaki yo mare nya karenga ya haraga na yaga ka ko so nin kendi ya ana france ndo so nin kenya kami wala na ko france ndi mo go be araga ga ngani e wa aska nga kunyi daga barini kanka so nin ko nga ba haranga ma raga alla wa kunyi daga barini Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an wanda asta damba asta damba Anki minna euh, en france le havre an koro minna le havre Encore le havre ewa anki kina minna nigérien il est, il est né au Niger, uh-huh. il a grandi au Niger. Masha Allah. Anki kyan ki belenga Oui, ki oui, c'est ce qui Masha Allah. Est-ce que Raya Kanyakosana a animé ça à Non, pas du tout. Là, ça va bientôt faire 5 ans. Uh mais euh, Manimissi du tout. Mais à Sarafriquia. Oui, c'est ça. Mais, mais bon. Euh, Belegar mhm. Ah bon Oui, oui. Mais France, le mot pour les c'est Belegar et Nakunda et Nakunda. Pourquoi Bah, parce que ils ont vécu en Afrique. Ouais. Ils ont grandi là-bas. Mhm. C'était des travailleurs et tout ça. Mhm. Et ils ont eu le courage de venir dans un autre pays pour recommencer. Pour euh, travailler ici. Ils ont faire les études ici, tout ça, tout ça. Donc, euh, ils ont, je trouve qu'ils ont plus de courage même que les, que les Français déjà. Parce qu'au cours et Réa, mhm. on est resté ici. Mhm. On a vu que ici la France, alors que ils ont. Ils, vécu là-bas. Voilà, ils ont vécu là-bas. Voilà, comme nos parents en fait. Nos parents, ils sont, ils ont grandi en Afrique. Ils ont eu le courage de venir ici. Donc euh, eux aussi, je trouve. Est-ce que là, combien pour ça 100%. 100%.

Euh, le prophète Salma est recommandé En gros, on a, a Voilà, Il ne faut pas regarder euh, l'image, il vient d'ici, du coup, j'ai pas envie. Euh, chaque personne est différente. Des, fois, il y a des, hommes qui sont dans, un autre pays, ils sont mieux même que les Français. Donc, ça ne sert à rien de regarder de quel pays il vient. Parce que, comme nous nous an gana hekun care afirki na koro nonga iwa non man kalin kem tu nonga mo be waksu iler ni bro o maga france gadi iwa ira ga galen tu ma ke kabe ga sare ira na koro ira mre ga afirki an kilan kanon tu no no ko ka woni fillah ay an kina maga ando do na maga ga bono bono alla wa hoktu no kar ko ilir su ko awonti bo sampo na maga ya bo eske an cara no kama kurasi langa pro an na maga go bilaga ga ba Bah, déjà, j'ai confiance. Ah, à qui Mes parents, voilà. D'accord. Et bah, là, c'est normal. Ils vont pas ramener n'importe qui. Donc, euh, j'ai confiance en mes parents. Et Gati, c'est un homme bien, tout ça, tout ça. Mhm. Bah, mon cœur, il est apaisé parce que c'est mes parents qui l'ont ramené. voilà, donc... Euh, yaxa kan jambana wala keñeni bo vraiment sans pourquoi mm. angana sere ka gunaga nuxusi kake musulme ñeni allanka nana ñeni mm-hmm. anna ko anna magari ga bang mm-hmm. abakte mm-hmm. li fera be ga oku africainu go irere mun naga awajil le kafina kunga parce que oku africainu angana mulana ñaga ñaga go sere be personne ke mi mi mak ro ke mo ka kempayne o ke le ga falle ay apa ganu afrerinu a fami e seginna kan bɔ kana fami viyola ɲɛ kana ɲɛ ona kane na ka ku fami ga se a kana ye fami suru ɲɛ kana ɲɛ kalmi ko ni sabarin ko ni tuwanu ɲina Allah kan nanu ɲini le mina ke me ka hara kana ɲɛ kana kuna ki saba ampe wasa kuno nallo ayagundi kaunda ke ga halle indak le mina ke ano asa kuno manya afa mi ina kunda ina kunda le mina ke mona kanuna ka sebo mɛ a ka kun kana leminɛke min mɛ kɛ ɲa fa ɲini an ka ɲini a ka kebe ko ina ga ako aga ni kebe min e in ka bana wala kenya ne bo kan kasere nyum sahaba bo ese conseil nga mga siri na pienda kama pour ona mga kanuna ki keni bele gara wala kai kin kama ga wala magam reference wala ka france mu wala kiego kiego kiego ke ese conseil nga mga siri ba Allah ka piena kama siri Bah déjà, je trouve il faut pas on a faut pas se bloquer en fait. Parce qu'il y a des personnes, ils ont peur du mariage. Mhm. mais Mais Ogamas Soron mhm. enfin, euh, la famille, avoir des renseignements, tout ça, tout ça, mhm. et eh ben on ne peut pas savoir en fait. Vrai. Donc il ne faut pas se bloquer, il faut demander autour. Si on a des grands frères ou des parents, ou je sais pas, cette personne, sa famille, comment ils sont, tout ça, tout ça. Et après, on fait la prière de consultation. si le cœur il est apaisé, on y va. Mais si, si on n'est pas tranquille, là, il faut. Bah, avant qu'il y ait un Afrique, combien de fois euh, bah, au Maroc, la première fois. On s'est vu là-bas et tout ça. Ouais. Et après, euh, un an après, je suis partie au Niger. Mm-hmm. J'ai vu ma belle famille et mm-hmm. tout ça. J'ai rencontré tout le monde. Mm-hmm. Et l'année dernière encore, je suis partie au euh, Niger. Et bah, après, il m'a rejoint ici. awa sasa akawa kakanno gondi akaka akaremme alhamdulillah belle vie allah noiri e ona allah tira ona allah mama akabe kagane ka vraiment nya sere sere anda carno kuke anda kuna ken kan jambana e kan sunni kaka fofo kinne khairnye an kina hallen killen kisre gabe wa mulla ikya galle gane ken nasru e nya makammo wala ken harsa ayu kubaga gire kharanga fanake asehe yagunya kama mm. alla ga yagunya gama naga hinne ago mane nema mm. wala e kanuye ago hinne mm. boka aga gana galla yaguke nogondi aga gana galla ndalla ndalla ndalla kanuye ke hore wa bakai me hinne ke kinna kokono kinna kokono wasu yagunga mashallah jusqu'à la mort mais il est même pour que Quand nous écrivons non, avant il beaucoup, mais maintenant il m'aime plus comme avant. Mm-hmm. Il de divorce. Mais c'est pas ça. Parce que quand on l'a hein. mm-hmm. c'est pas comme le premier jour. Voilà, ça diminue chaque fois, mais rahma. Mm-hmm. Voilà, toujours, chimme kabe. ganari ganari, monaki igamuna keo konaki yagunni hinne ago kanue hoba ka kanue ke ka hinne ke kenga ko kono ko masha Allah gi courage Allah ga gonni misinde golle ken ko ba masre ka kele ke mo agbi même en français comme tu veux sasa anda nyakan daga bo an kaga mani fahamu an nyaka ke sasa ayaga yang kabarin ni tiga kabarin kandang na mabra pasal amang munawari mm -hmm. ande bi ande sini anda ya kai es kan nimisi ba mama nimisi toujours kanu ke wahinda no ma yo toujours ayo ah, oh, no ma parce que moi nimisi ah. en fait euh, cela me angana ah. comme Allah gana Allah gati Quran ndi wa ma yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu c'est lui qui place sa confiance en Allah, en mm. Allah mm-hmm. c'est Allah qui lui suffit voilà angana kibaran lo Allah ki tanike mm-hmm. anta nimsini masha Allah voilà c'est comme si ganati an sara nan milliardaire nyani tan dangani t'inquiète pas, si tu veux quelque chose, ton cœur va s'apaiser, tu vas dire, bon, je ne vais pas m'inquiéter parce que mes parents sont milliardaires. Du coup, tout ce que je veux, je vais l'avoir. Akendi Allah Allah me kundwani agati serebe gana et wakali ya. Fahuwa hasbu Allah na Akendi an ga nan kibarun lu allah ki tani ke allah ta désespéré wala allah wande mana ken wala après il faut pas toujours comme elle a dit eh. on a aspect physique ke e hay ken su a daga nan la beauté ça va partir la richesse mais an ga na dina ke hoto ke mm-hmm. dina ke an toko ma kallan insha allah ma sha Allah ina mawaka nu ina i i i afer nu lo Allah ke tandi ma sha Allah sha Allah wa awa gaman yani ولكن ومن يتوكل على الله فهو حسبه سيغيب نكتو الله كما نام في نتوكين الله باني الله غنسا بس فارغ صلى الله عليه وسلم كتكون كهو لمار أقل أربع سيرنا يغرين يغنك هنو نغكس أفرام بري أبناغو أغبلا أغزينا kafarin da ka ka dina gunkenye an nan yago sereme sereme dina ngamaka c'est à la belle avec ça c'est important aussi c'est bananya ganani c'est bien aussi mais si kabla kura gumenya ganani mais dina kika kifinai c'est important wala kenye ne omra kanu ya kunga na ki kesa ra afrika ya kesa ra ya no mra kanai a savoir est-ce que dina gun kenya ne ba ya kabla na kamoro bonne farin ki sereme ganari ka gai pour ya gunye su aga gana gunwe ka aga hinu hilli agzina aga a comportement aga na yakindi jeng ka aga aga ma yakindi su problem nyanya na oka oka fon no wala kenya ni masha Allah ngaga nuari ni aga baraji sebo hokana kam ngana ko aga sebo masha Allah o nyagali sio har so ka ko kabe lenki on est samedi le le 27 uh -huh. août uh -huh. 2022 ما شاء الله بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته